effectivement, on a une préoccupation pour l'aménager. Et quand je suis venu, j'ai trouvé que l'équipe sortante avait déjà un projet pour aménager une partie de la berge. Non, non, moi j'ai pas dit la berge j'avais dit toute la berge d'air, littoral. Euh, c'est l'équipe sortante qui avait un projet, euh, une sorte de marina qu'il fallait faire là-bas. Il se trouve que d'abord, euh, la compétence en matière de domaine public fluvial de compétences communes, commune compétence conseil départemental Il y a le conseil départemental qui euh, programme ba tax à commencé euh, pour le projet bi ñu avons def berge de Goudomp j'ai préféré nous suspendre pour le moment parce que je ne veux pas mettre 500 millions qui projet pour xam ne ce ne sera pas viable on voulait mettre là-bas projet qui fait qu'il dañ un espace récréatif avec une euh, de euh, une terrasse euh, de faire des cocotiers des arbres mettre en quelques infrastructures restaurants hôtels etc., pas hôtel, mais restaurant. D'abord, il y a un premier problème que je man moy faut mettre en place une infrastructure euh, récréative à côté ou dans un quartier où il y a des problèmes sérieux d'assainissement. nous y que des ni d'assainissement. parce que nous y que ni problèmes fi pratiquement hôtel bi jexé Kajandu ba ko def c'est sur 300 mètres de longueur mais fi 300 mètres de di il fa le quai de pêche bi commencer. Il y a le quai de pêche il y a les usines de pêche et tu as tout le temps des gros camions frigorifiques qui passent Fofu, mëno fa def espace créatif. et donc on a commencé à réfléchir li ñu il faut faire dans un premier temps là-bas un projet allégé Faire ba nettoyer ko aménager ko rambler ko def du sable d'aller mettre quelques bancs publics et des arbres dans un premier temps mais travail est yemul nos équipes en collaboration avec le conseil municipal euh, le conseil départemental côté belé depuis Goumel, partie Goumel presque ci mangrove fofu def nañu recensement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'occupations bizarres il y a des bars il y a des restaurants il y a des villas il y a tout donc il y dem nañu recenser ko ku nek laaj nañ la un papier et avec les autorités administratives chargées de ces questions-là nous allons procéder méthodiquement mais l'objectif moi il faut occuper de manière irrégulière nous jëlé le fond d'abord la n'y ñaar ba ñetti problème y a des lotissements qui ne c'est pas autorisé en matière foncière lotissement pour il faut d'abord nous préparer dossier envoyer pour Dakar et la direction de l'urbanisme le ministère de l'urbanisme autorise le lotissement Vous autorisez, arrêtez les gilets. arrêtez on vous autorise à faire un lotissement à Javir sur 136 hectares il y aura 300 3127 parcelles de 300 mètres carrés et de 200 mètres carrés. Il y aura tant d'espace pour les mosquées, tant d'espace pour les églises, tant d'espace pour les marchés, etc. Bon, pareil, le plan. Ce que vous voyez là-bas, c'est le plan de lotissement de Diabir. Le rouleau que vous voyez là-bas. Non, là, fait le lotissement. Si vous le conseil municipal, nous avons euh, euh, les enquêtes qu'il faut def état des lieux def inventaire donc à qui on doit attribuer ces terrains euh, l'économie sociale et solidaire effectivement mais mais tel que ça ça 24 heures mais je sais pas pourquoi tu lorgnes mon argent que ça ça 24 heures moi je ne suis pas allé cliquer sur je ne suis pas allé demander les relevés bancaires pour savoir ñaata modou et tel aussi pour parler de financement parce que voilà, nous financer beaucoup d'étapes du ko Le la ca des nag et je peux vous dire que chacun d'entre vous doit être également un véhicule ku ci yàlla may mu conscience véhicule donc sensibilisation d'abord communication mais sous puis yëpp weesoo la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Parce que par essence, li caractériser la fiscalité, c'est qu'elle est contraignante. Bah ñu nit ñi rek mu neex mu ne bon dinaa fay non pas duma fay par essence man ak yow ak keneen ñoo yem ci impôt bi nga yéeg di ko fay ak bi nga yéegul parce que bi nga moi, mooy ku loo fi munti jënd ceeb diwlin euh, carte crédit etc., wala nga fait sa facture courant wala ndox a ngi fay 18 pour TVA ça c'est l'impôt indolore bi nga yéeg nag mooy bi ñu bindal kayit ña l'impôt bon euh, impôt foncier wala en tant que opérateur économique sa magasin voilà, war na fay 50 000 loolu les impôts directs nga xam ne da mais par essence c'est coercitif c'est pas c'est pas laissé à à la discrétion de chacun de dire woo damay fay wala du ma fay mais dañu bëgg a communication ba comprendre le sens et le pourquoi de ces impôts Nous d'accord peine encombrement autour des écoles yi nga que ça dépend de nous parce que vous savez que les communes ne sont compétentes que pour les écoles élémentaires et euh, maternelles préscolaires yoy mom lepp lu fa nit muy occupation illégale dañ koy génne waaye nag nit ki nga xam ne dafa am titre foncier am titre foncier bi dend ak école bi mu jël titre foncier bi def ko garage man mënuma ko tere waaye mun nañ ne na yem ci biir garage bi ci biir titre foncier am du jël auto yi sànni ko un peu partout ba ba ci buntu école bi mais su dee ñoo xam ne amuñu yëpp dañ ñëw rek occupé dans les prochains jours on va lancer un programme de de désencombrement des écoles ba nga xam ne. École, c'est sacré. Les enfants doivent être protégés. C'est pourquoi nous avons dit que cette, école, cette année, nous avons des écoles non clôturées à Toutes les écoles seront entièrement clôturées et puis nous avons des gardiens également qui resteront là-bas pour protéger les enfants euh, contre les animaux en divagation, mais également contre les euh, adultes.